Chers euh, auditeurs euh, et téléspectateurs des programmes du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue au forum de la presse de ce soir, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage des faits saillants et marqué l'actualité de la semaine. Et cette semaine, les sujets ayant marqué l'actualité et qui ont retenu notre attention sont la célébration le 9 euh, décembre de l'édition 2022 de la Journée internationale de lutte contre la corruption, le deuxième euh, sommet États-Unis-Afrique euh, qui a réuni autour du président américain Joe Biden, une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement africains, dont le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, du 13 au 15 décembre à Washington. Enfin, nous terminerons le forum de la presse de ce soir avec euh, du sport et c'est pour parler de la suite de la 22e édition de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec euh, la France euh, et l'Argentine qualifiées pour euh, la grande finale de cette coupe qui est prévue donc pour le dimanche prochain dans l'après-midi. Pour analyser ces différentes informations, nous avons le plaisir de recevoir nos confrères Elhaji Mohamedou Suleiman, journaliste au journal Niger Inter, Maimouni Gado, journaliste indépendante, et Hussein Issa, journaliste indépendant également. À la modération du Forum de la presse de ce soir, je suis Michel Dij. Commençons par notre premier sujet, célébration le vendredi 9 décembre dernier de l'édition 2022 de la Journée internationale de lutte contre la corruption. La Convention des Nations Unies contre la corruption à 20 ans, unissant le monde contre la corruption, est le thème choisi cette année par l'Organisation des Nations Unies dans le cadre de la commémoration de cette journée au Niger, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halcia a organisé une cérémonie à Niamey pour euh, sensibiliser les populations sur euh, les actions menées au Niger dans le cadre de la lutte contre la corruption ainsi que l'importance de la prévention de cette pratique au Niger. Dans le domaine des investigations, la Halcia a enregistré au cours de la période 2021-2023 323 plaintes 197 ont été retenues pour traitement au terme duquel 50 rapports ont été transmis au président de la République et 30 au procureur de la République compétent, a déclaré le président de l'institution, Maïmoussa El Haji Bachir, à l'occasion de la célébration de cette édition 2022 de la Journée internationale de lutte contre la corruption. El Haji Suleiman Mohamedou, quelle analyse faites-vous de cette euh, célébration au Niger de la journée internationale de lutte contre la corruption ainsi que la situation euh, de la lutte contre la corruption à l'heure actuelle au Niger. Euh, merci bien Michel. on a vu donc cette annonce, et ont ces activités organisées par la Alcia. Mm-hmm. Donc également un débat sur euh, la télévision nationale euh, mm. où le président de la Alcia, le procureur de la République euh, et les acteurs de la société civile avaient participé donc pour faire le bilan de la lutte mm. contre la corruption. vous parlez justement de la Convention des Nations Unies sur ce phénomène qui a 20 ans et vous voyez, euh, au niveau mondial, la corruption est considérée comme un crime influent qui menace euh, la paix et la sécurité. Mmh. menace euh, justement les, Donc c'est un phénomène mmh. international connu où effectivement il faut une synergie pour le combattre parce que ça remet en cause ce qu'on vise comme développement, la paix et la sécurité, c'est une menace. Maintenant, au niveau national, euh, qu'est-ce qui est fait véritablement Vous avez dit en termes de bilan ce que le procureur, le, ce qui est le Par a, a, dit. Plaintes, effectivement, euh, y a eu 323 euh, dossiers, justement, il y a, une il qui ont été traités, 50 rapports ont été transmis au président de la République et 30 au procureur de la République euh, compétent. Procureur au pluriel, peut-être c'est au niveau Effectivement, euh, le procureur, à l'occasion du débat sur le Télé mhm. Sahel, mm il a amené des euh, pour dire que, voilà, aujourd'hui, par exemple, récemment, il y a un concours euh, qui a été organisé absolument. La LCA avait donc ils ont déjà engagé donc la procédure donc pour, traiter cette, question mhm. pour dire que en fait il y a comme euh, donc euh, le procureur voudrait en tout cas ils, ont une sorte de coup franche euh, pour, agir. Mm. Mais au niveau national, quand même, il faut l'admettre, il y a des grands dossiers sur la grande corruption. Mm. quand je parle de grande corruption, c'est parler vraiment des affaires de, l'État sur les grands marchés, des, marchés publics. Mm. Ou véritablement. Euh, par exemple euh, Il y a des affaires, euh, notamment il y a l'affaire du ministère de la Défense, il mhm. y a cette affaire Iboukara qui effectivement qui va être jugée bientôt. Mhm. il y a que, par exemple, on a annoncé des inspections d'État au niveau d'un certain nombre d'institutions importantes de la République. tout cela, on ne parle plus. Euh, donc, euh, euh, moi, je pense que la lutte contre la corruption, c'est vrai, c'est très complexe. il y a des facteurs sur lesquels il faut agir. par exemple, la corruption qui est entretenue par le, en tout cas, la classe politique, les partis politiques, mhm. jouent un rôle important dans le développement de ce phénomène par exemple, euh, vous allez voir que lorsque un membre du gouvernement ou bien un responsable euh, de l'État est pris à défaut euh, dans un acte de corruption, si son parti politique est au pouvoir ou bien c'est un allié, le, parti politique pourrait être amené à menacer, à faire du chantage au président de la République dans le sens de le décourager à, euh, appliquer la loi. Alaj Mohamed Souleymane, pourtant le président de la République, le jour de son investiture, c'était le 2 avril 2021, avait promis au Nigériens une bonne euh, gouvernance et il avait dit, je le cite, euh, pour montrer qu'il compte lutter avec fermeté contre cette pratique, il dit, je cite, quiconque a une responsabilité dans l'administration publique répondra désormais tout seul et entièrement de ses actes. Son parti politique sa base, sa famille, sa communauté ne lui seront d'aucun secours au cas où son comportement devrait commander une mesure euh, coercitive à son encontre. Fin de citation peut-on dire euh, que le gouvernement est sur la bonne voie au vu de euh, ce qui se passe actuellement Puisque là, vous, euh, parlez des compagnons, des amis politiques. Tout le monde a applaudi. Mhm. Par exemple, l'exemple du ministre de la Communication qui était en exercice qui est pris. Mhm. si effectivement des cas comme ça, c'est inédit. Mhm. Effectivement, c'est un, c'est un, allié. Mais le comment vous dire que, franchement, ce n'est que lui, parce que euh, tout à l'heure, je disais, il y a beaucoup de dossiers. Il y a par exemple ce dossier de la CNTS, on est, on est où avec ce... il, y a, beaucoup de, dossiers, en tout mhm. cas, sur lesquels euh, euh, le président est attendu. Comme je l'ai dit, il a annoncé publiquement qu'on a, commandité donc, des, instructions d'État. Donc, par conséquent, ce n'est pas du discours la lutte contre la corruption, mhm. c'est des faits lorsque effectivement quelqu'un, c'est ça vraiment, je pense, la norme, comme il l'a dit, que ton parti politique, ta famille, ta communauté, quand tu agis contre, en tout cas, les tu détournes les données publiques, mhm. on ne doit pas te faire une promotion, tu dois aller en prison. Mhm. Si c'est ça de la loi, donc, je, reconnais qu'il mhm. y a des efforts qui, qui sont faits euh, avec le président Bazoum, mais le défi reste entier la lutte contre la, la, corruption, jusqu'à présent, je pense que ne donne pas, euh, euh, en tout cas, le gage que effectivement, véritablement, euh, il est engagé, en tout cas, à aller jusqu'au bout. Parce que simplement, il y a des, questions importantes, en tout cas, des, dossiers importants sur lesquels on n'a pas l'impression que les choses bougent. Le mm. cas Iboukarag, par exemple, on sait que Iboukarag, c'est un militant du, du PNDS. Mais là aussi, vous allez entendre hmm. les gens vous dire que euh, c'est vrai, on a arrêté des cadres de l'administration, mais les gens vont vous dire qu'en tout cas, euh, c'est comme en fait de menu, de menu frétin. Euh, bientôt, justement, on, va juger, effectivement, l'opinion publique va s'attendre effectivement à voir comment ce dossier va être traité. Est-ce que véritablement la justice a fait un travail indépendant On va le savoir. Mhm. Merci beaucoup. il explique que les défis restent là poser. Maïmoune Gado, qu'est-ce qui pousse en fait à la corruption selon vous Quelles sont les principales causes Puisqu'on a euh, cette impression que chaque chef d'État qui arrive dit qu'il veut lutter contre cette corruption qui gangrène et qui constitue un fléau que tout le monde dénonce en fait. Mais que euh, on a l'impression continue à être pratiquée, puisque quand on regarde les rapports de transparence internationale, par exemple, en 2020, le classement du Niger, c'était 123e euh, position sur 180 pays classés, en 2016, 65e, et en 2021, 59e. Ça évolue en dents de scie, c'est-à-dire ça part, ça revient. C'est quoi en fait les causes profondes, Il faut d'abord savoir, qui sont ceux qui font la corruption. Mhm si on a qui sont ceux qui font la corruption. Et c'est qui ces personnes Mais en tout cas, ce n'est pas le pauvre Nigérien mhm. qui n'a pas de quoi, en tout cas, vivre, ou bien qui n'a pas de quoi les deux repas ou les trois repas de la journée, qui va mhm. faire la corruption. Mhm. Non. La corruption, Suleiman l'a bien dit. Il y a, en tout cas, ceux qui sont intouchables dans ce pays, qui pensent qu'ils sont intouchables. Parce que c'est ce qu'on leur fait comprendre, qu'ils sont intouchables. Il y a eu des rapports qui ont été faits dans certaines institutions de la République, mhm. mais qui tardent jusqu'à présent à être traitées. Il y a des ministères qui ont été audités mhm. et dont tout le monde a su qu'il y a eu des détournements dedans. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas été auditionné. Ces gens-là n'ont pas été auditionnés. Donc, c'est pour te dire que ceux qui font la corruption, quand je vois l'ALCIA faire une sensibilisation, l'ALCIA devrait plutôt sensibiliser. Moi, je, ce que je pense, hein, mhm. sensibiliser d'abord ceux qui sont les gouvernants, ceux qui nous gouvernent. Ça veut dire ceux qui sont là, ceux qui dirigent nos ministères, ceux qui dirigent nos institutions, ceux qui sont là où la corruption, on peut faire la corruption et on peut se dire que, bon, c'est le Niger de toutes les manières, quand je fais la corruption, c'est pour me renfler les poches, c'est pour faire. Euh, oui, oui, c'est pour que je puisse gagner. Pendant les cinq ans là où je suis donc dans un poste, il faut que je trouve quelque chose. Mais pour trouver quelque chose, comment est-ce qu'il faut faire Il faut passer par la corruption. Et c'est plus facile comme ça. Suleiman a dit qu'aujourd'hui, il y a les partis politiques. Quand un, et un, des membres ou bien un. Euh, un, militant d'un parti politique. Ça veut dire qu'il y a de l'impunité, c'est ça Il y a de l'impunité. Depuis combien d'années cette histoire du ministère de la Défense, les gens, les Nigériens en ont parlé. Hmm. On a fait du bruit. Les Nigériens ont fait du bruit là-dessus. Est-ce que certaines personnes sont même euh, allées en prison Voilà, certains hmm. acteurs de la société civile hmm. <laughs> ont, payé en tout cas par leur euh, présence dans les, prisons du Niger. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y aura, on peut faire, mettre fin à cette corruption tant que, moi je me dis, hein, mhm. tant que le président de la République gouverne avec des partis politiques qui sont là et qui pensent que ces partis politiques-là, c'est eux aujourd'hui qui font le pouvoir. Mhm. Le président de la République ne peut pas trancher c'est vrai, dès au début, il avait été soutenu par une quarantaine de partis politiques <laughs> dès le premier tour. Après, il y a eu des ralliements de certains si c'était lui mhm. seul, son parti, lui seul qui dirigeait ce pays, je mhm. suis sûr qu'il pouvait faire beaucoup de choses. Mhm. Mais aujourd'hui, à ce, ce, niveau, à ce stade où on est là, c'est très difficile. Quand on met, par exemple, un responsable qui ne devrait pas se retrouver là-bas, mais qu'est-ce que vous voulez que ce responsable la fasse On doit mettre des gens qui savent que la corruption, là, c'est vraiment quelque chose qu'ils ne devraient pas, ne devraient pas faire. Mais on met des gens qui ne pensent qu'à faire la corruption. Mais <laughs> dans toute chose aujourd'hui, quand vous regardez le fonctionnement de la fonction publique, où est-ce que il y a dans toutes les entreprises, même les entreprises privées aujourd'hui, sont atteintes par cette affaire de corruption. Ça veut dire que. Il faut donner quelque chose pour passer, c'est ça C'est ça. Du népotisme, le passe-droit. Ouais, Mhm. Si tu n'as pas quelqu'un là-bas, mhm. même si tu as quelqu'un au sein d'un ministère ou dans une institution et que toi tu veux aller en tout cas pour prendre quelque chose, mhm. si tu ne glisses pas quelque chose, tu ne l'auras pas. Et qu'on cesse de crier à tort et à travers pour nous dire que le papier que tu dois chercher, c'est gratuit. Mais ce n'est pas gratuit, je t'assure, ce n'est pas gratuit. Quand tu vas chercher un papier, ne serait-ce que peut-être le casier judiciaire ou quelque chose, toi tu veux que ça sorte vite. Mais il faut que tu donnes quelque chose. Mhm. C'est la corruption comme ça. Ça veut dire que ça commence là-bas. En glissant, en donnant un billet de 500, bien, en donnant un billet, un mhm. billet de 1000 francs, ça veut dire que tu commences déjà à goûter à cette corruption. Mhm. C'est pas toi et moi qui font la corruption quand même. Mhm. La corruption, là, les gens connaissent qui est qui. tout le monde peut corrompre quand vous prenez votre véhicule. Euh, à tout moment, en tout cas, il faut rappeler que un, un, citoyen honnête mhm. n'a pas besoin de corruption. Justement. Et c'est ce qui manquent ceux qui font la Donc corruption. Donc c'est à tous les niveaux, puisqu'il faut la promotion d'une bonne citoyenneté. C'est ce que je suis en train de dire. Mhm. Ceux qui font la corruption ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas honnêtes, mais il y a des citoyens lambda quand même mhm. qui sont également dans cette pratique, selon le président de la Halsey, en tout cas. Le thème de cette édition 2022 met en évidence le lien crucial entre la lutte contre la corruption, la paix, la sécurité et le développement. Et il faut rappeler que dans l'avant-propos de cette Convention des Nations Unies portant sur euh, la lutte contre la corruption, il est dit que la corruption est un mal insidieux dont les effets sont aussi multiples que délétères. Elle sape la démocratie et l'état de droit, entraîne des violations des droits humains, force le jeu des marchés, nuit à la qualité de la vie et crée un terrain propice à la criminalité organisée, au terrorisme et à d'autres phénomènes qui menacent l'humanité. C'est donc euh, une convention qui appelle à une grande coopération entre les États pour arriver à avoir une tolérance zéro contre cette euh, pratique. Euh, Ousseinissa, qu'est-ce qui bloque pour qu'on puisse arriver à ce stade Est-ce qu'on peut espérer un jour qu'au Niger, on puisse parler d'un pays où il n'y a pas du tout de corruption Qu'est-ce qui bloque Les hommes. Ce sont les hommes qui bloquent ça. Mais bien évidemment, c'est une mm-hmm. pratique humaine ou c'est ce n'est pas une pratique humaine. Bien sûr. Alors, quand on veut mettre fin à ça, on peut mettre fin à ça. Mhm. Mais quand on se retrouve dans un pays où la course est freinée vers, euh, comment dire, la fortune, a, pris tout le monde. Comment veux-tu qu'on puisse mettre Tout le monde veut s'enrichir à tout prix. Pas c'est pas ça qu'on est en train de vivre dans ce pays. Moi, tu sais, j'ai dit, les gens sont hypocrites. Les, gens sont hypocrites dans ce pays, mm. du sommet jusqu'à en bas. Mm. Les gens sont hypocrites. Je vais faire le parallèle. Mhm. Je prends l'exemple de Kunche. Mhm. N'est-ce pas on dit qu'il avait emprisonné. mais alors, c'est pas faux. Non, en fait, c'était pas moi. Non, non, <laughs> mais alors, quand les gens reviennent à cet exemple-là, il était dans un régime dictatorial. Mhm. Il ne s'est pas permis de s'enrichir, comme l'ont fait les autres présidents de l'époque avec qui il était à ce moment de son époque. Bien sûr. Il n'a pas lutté contre la corruption. Mais moi, je dis, il faut cesser d'être hypocrite quand on veut lutter contre un fléau comme ça. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé à l'Union européenne, au Parlement de l'Union européenne, qui est en train encore de défrayer la corruption mhm. N'est-ce pas On en parle justement. Ah, d'accord, ok. Mais alors, venez faire un discours. Non, on a recensé tel nombre de cas, ici, cela. C'est pas ça qui va mettre fin à la corruption. Pour mettre fin à la corruption, c'est que qu'on prenne le taureau pas le, les ça veut dire quoi, par exemple euh, Le président de l'Algérie a dit on a eu 50 dossiers qu'on a transmis au président de la République. Il y a eu 30 dossiers qui ont été transmis au niveau du oh, procureur. Des différents procureurs. Mais, mmh. bon diable. Pourquoi ces dossiers-là Rapidement, ça dit non, que, les gens disent non, ça va prendre du temps. Ça ne doit pas prendre du temps. Mmh. Il y a des voleurs de poulets qui sont dans les prisons mmh. ou de morceaux de pain. Voilà des gens qui ont détourné des milliards et tout et tout, qui ont fait des pratiques correctives. On prend les dossiers, on, les, va, on les classe. On dit on est en train de lutter. Mais le dossier, il faut le traiter et rapidement. N'est-ce pas Pour que les gens sentent qu'effectivement, on veut en finir avec. Et c'est le sommet qui doit donner l'exemple. Quand on dit à ah, le policier qui est dans la rue, C'est la petite corruption. Mais la grande corruption, quand vous regardez un peu ce pays, quand vous regardez un peu ce qui se passe dans cette ville-là, vous avez l'impression un pays pauvre, dernier de la planète en termes d'indice de développement humain. Quand vous voyez des véhicules, des maisons qui poussent de sorte de, terre, tu vas, te poser la question, où est-ce que ces gens-là ont eu de l'argent pour pouvoir construire ces genres de choses Ce sont de nous mentir. Si on veut lutter contre ce phénomène-là, on peut bien le faire. On peut bien le faire parce que la pédagogie de l'exemple, c'est ça qui marche. Il faut donc donner cette pédagogie. non, mais, bien sûr, mais venir y un discours, Oui, oui, on a fait ceci, on a fait <laughs> cela, on est en train de lutter. Vous allez faire le discours des années et des années durant. Il n'y a rien qui va changer. Il y aura de nouveaux corrupteurs et de nouveaux corrompus qui vont venir grossir le lot déjà des gens qui sont mhm. là. Il faut qu'on arrête. Mais au niveau même de la population au CNSS, nécessaire il n'y a pas nécessité de faire quelque chose. Non, vous et moi, en fait, on dénonce, mais, on voit certaines personnes qui dénoncent, mais, quand ils arrivent au pouvoir, euh, on a l'impression que ne suivent pas ah ce qu'ils ont dit. Parce qu'ils ne sont euh. pas propres, c'est des mhm. menteurs. Ils, sont faux, ils ont menti pour venir au pouvoir. Mhm. Parce que moi, quand je suis convaincu que ce que je suis en train de dire, mhm. mais on a connu pas le passé déjà, on ne parlait même pas de démocratie à l'époque. Quand vous prenez par exemple l'exemple du Burkina, du Burkina Faso. Aujourd'hui, tout le monde cite en référence Sankara. Bien sûr. Quand il est arrivé, il a dit non. Trouvons notre voie. On n'a pas besoin que quelqu'un nous dise, parce que même les Blancs sont hypocrites. Même eux. Mhm. Même eux, parce qu'ils savent ce qui se passe dans nos pays. Mais comme ils veulent nous tenir en l'Est, mhm. ils acceptent que ça se fasse. Mais ils font dans leur discours, il faut lutter contre la corruption, c'est faux ils ne luttent pas eux-mêmes contre la corruption. Pour tourner cette page, qu'est-ce que la population peut faire Est-ce que dans l'entendement des gens, par exemple, quand euh, on voit quelqu'un, par exemple, détourner les biens de l'État, on ne le considère pas souvent comme un voleur. Mais moi, si je vois quelqu'un, non, non, mais si je vois quelqu'un, j'ai mhm. ça va changer quoi mhm. Attends, moi, citoyen simple, les gens parlent tous les jours. Ce mhm. qui est en train de se passer là, les gens parlent, les gens dans les fadas, les gens parlent. Ce monsieur, il a avant seulement, il était rien du tout, il n'avait rien on le voit avec. Mais ça va changer quoi mhm. C'est la sanction. C'est la sanction. Merci beaucoup. les dossiers. sont transmis à la justice, il faut que la justice fasse donc euh, son travail. Parce que c'est ça il faut qui rappeler. va parce que c'est ça qui va permettre à celui-là qui veut faire comme l'autre, mhm. il va se dire ah l'autre il est allé en prison, alors il va réfléchir par deux fois. Mais tant qu'il n'y a pas de sanction, il ne faut mhm. pas se faire d'illusions, venir faire des discours pour penser qu'on va. Non, non, non, c'est juste une journée. Ok, alhamdulillah, tout le monde a fait son discours. Tout le monde a cherché à montrer qu'il est en train de lutter contre la mais personne ne lutte contre la corruption. Merci on vous a bien compris. Il faut donc euh, mettre fin à l'impunité, continuer les sensibilisations, peut-être revoir. Sanctionner. <laughs> Il faut revoir donc la politique euh, pénale même de l'État puisque c'est l'État qui applique sa même euh, sa politique pénale, puisque le procureur qui reçoit oui, rapidement, puisqu'on doit euh, tourner la page. Avec, euh, la, corruption, vous mhm. voyez, là où c'est une menace, c'est ça en fait euh, le plus mhm. important, le plus inquiétant. Les gens, quand ils sont corrompus, avec tous les trafics qu'ils font, mhm. ils peuvent prendre en otage le pays. Les élections, ils vont contrôler les élections. Ils, ils vont, la justice, absolument. Donc, en vérité, la corruption menace tout le monde même ceux qui sont au pouvoir, en tout cas. Vous parlez des élections, est-ce qu'il n'y en a pas qui incitent à cette corruption en demandant, par exemple, aux hommes politiques de leur donner euh, quelque chose euh, Vous voyez là, euh, à, ce, niveau-là, nous sommes très à retard. Vous voyez, la Cour des comptes est en train de former les, les, les, trésors des partis politiques, mhm. parce que normalement aussi, on est censé contrôler l'argent qui passe au niveau des, élections pour les mhm. partis politiques. Donc, déjà, en ce moment-là, la Cour des comptes a révélé que même l'a rappelé, par exemple. Mhm. C'est la Cour des comptes qui a dénoncé des manquements graves au niveau des membres du gouvernement, des membres du gouvernement qui tiennent des casseroles. Rien n'a été fait au sein de beaucoup de partis politiques. il y a beaucoup, pas avec il y a du pain sur la planche. combattre, mhm. il faut effectivement, comme l'a dit Séné la méthode de Kunche, mhm. effectivement, paye parce que tout simplement, il n'y a pas d'impunité. Mhm. Comme le, le président savent dans le discours. Mhm. Et que tu sois ah, Là, membre du parti. Nous allons vite <laughs> continuer pour pouvoir aborder les autres points inscrits donc, euh, pour euh, ce forum de la presse euh, de ce soir. Et nous passons donc au deuxième sujet de ce forum de la presse début le mardi 13 euh, décembre dans la capitale américaine euh, Washington euh, du deuxième sommet des chefs d'État américains et africains, un sommet de trois jours visant à renforcer la coopération entre les États-Unis d'Amérique et les pays africains. Maïmoun Gado, quels sont les objectifs assignés à ce deuxième sommet États-Unis, Afrique, qui réunit une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement africains autour euh, du président américain Joe Biden. Il faut noter que parmi les présidents africains, il y a justement le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Moi, euh, je me dis que c'est une façon de redéfinir euh, la coopération entre les États-Unis et l'Afrique. Mhm. Et redéfinir comment C'est parce que tout simplement, les États-Unis ont compris Aujourd'hui, avec cette situation qui est née entre la France et les États africains, mhm. il faut essayer de voir à leur niveau euh, qu'est-ce qu'il faut améliorer en termes de coopération. Mhm. Et vous savez que les États-Unis investissent beaucoup euh, dans les pays africains, mhm. euh, dans tous les secteurs. Mhm. Euh, et, ceux qui aujourd'hui les intéressent aussi, c'est vraiment cette situation d'insécurité que vivent certains pays africains, il y a des bouleversements un peu différents mhm. Mhm. des uns et des autres, mais ça les intéresse beaucoup de voir comment est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut augmenter, qu'est-ce que euh, la collaboration ou bien euh, la coopération, qu'est-ce qu'il faut amener comme coopération pour qu'ils euh, puissent euh, mettre fin à certaines situations. Et j'ai compris qu'il y a également les États-Unis ressentent aussi une menace euh, de la part de, des pays, d'autres pays, en tout cas comme la Chine, et la Russie, qui sont en train euh, de nouer des relations, des coopérations avec l'Afrique. Mm-hmm. Donc euh, il faut véritablement, parce que ça urge, il faut véritablement que les États-Unis, c'est pas pour rien qu'ils ont appelé, ils, ont appelé ces chefs d'État africains. C'est pour pouvoir discuter véritablement de cette coopération, comme je l'ai dit. Mhm. Il faut Déjà, il y a une coopération s'il faut prendre oui, le cas il y a une coopération. oui, il y a une coopération, mais maintenant il faut redéfinir. Il, y a, dans le domaine du développement, par exemple, l'USAID. il y a beaucoup de secteurs. Ils sont Ça veut dire qu'on peut considérer que les enjeux sont importants, c'est ça Oui, ils sont très importants parce mhm. que euh, en matière de, de, de ce que les États-Unis apportent apporte aujourd'hui euh, pour ces pays africains. On ne mhm. peut pas dire que c'est minime, non. Mhm. Mais ce que je suis en train de dire, c'est de redéfinir comment mhm. est-ce que, parce que ceux qu'ils sont en train de donner, il y a certains euh, besoins aujourd'hui pour ces pays africains. Donc ces besoins-là, il faut d'abord recadrer, il faut d'abord savoir quels sont les besoins pour ces pays africains. Qu'est-ce qu'ils urgent, qu'est-ce qui urge pour ces pays africains Comment est-ce qu'il faut les accompagner Il faut redoubler d'efforts dans quel domaine est-ce qu'il faut aujourd'hui redoubler d'efforts mhm. Voilà en tout cas moi ce que je vois de euh, cette rencontre en tout cas entre France, mm. euh, pas France, mais les États-Unis et, l'Afrique, les chefs d'État africains. Merci beaucoup. c'est vrai, on a entendu parler de paix, de sécurité, économie, on a parlé également de la santé, la sécurité alimentaire, tout ça. alors, les attentes euh, de ces chefs d'État, c'est quoi concrètement Rien. Ils sont allés faire quoi Rien, ils sont allés se promener. Ils sont allés se promener. J'ai dit. Même euh, le président du Cameroun, euh, Paul Biya, qui ne voyage plus. Non, c'est juste, c'est juste une détente. C'est juste une détente. Dans la zone des trois frontières, euh, laisse tomber. Seulement Bazoum, puisque les autres sont sous sanction, coup d'État. Je vais dire une chose. Je vais dire une chose. Et moi, je reste persuadé, je reste convaincu. Mhm. On connaît sommet Inde-Afrique, sommet Japon-Afrique. 52 chefs d'État. Mhm il va aller s'asseoir pour échanger avec des, des, comment s'appelle, des, gouverneurs pour, pour discuter coopération. Parce que Biden a autre chose à faire. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Biden, il n'était pas présent pendant les trois jours. Il y a eu des panels euh, en simultané. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours dit, mm-hmm. et je l'assume, et je continue à rester, à, persuadé que le développement ne viendra pas d'ailleurs. Mmh. C'est à nous de savoir ce que nous voulons. Nous avons suffisamment de ressources ah, sur le plan humain, nous avons des ressources sur le plan stratégique, mmh. nous avons les capacités de pouvoir transformer l'Afrique à notre façon mais continuez à considérer. non, on peut penser que je non, on peut penser que moi, j'ai fait l'Inde d'Afrique, sommet mm. Inde d'Afrique, j'ai fait, je ne sais plus, c'était en quelle année, mm-hmm. j'étais en, en, Éthiopie à, à 10. J'ai tenu ce débat-là. Notre compatriote était encore là-bas, Ibrahim Hassan Meya, qui était, mm-hmm. était encore, mm-hmm. comment on comment avait dit, au Népal. J'ai fait un entretien avec lui. Parce que moi, je considère que c'est faux. C'est faux. Ils vont aller, parce que tout le temps, on est en train de tendre la main. Qu'est-ce que les États-Unis peuvent apporter à nous, apporter Ils ont mis en place des mécanismes de coopération avec nous. La Goa, l'USAID et tout et tout. Ces mécanismes-là, par exemple, l'USAID, ça existe depuis, depuis, depuis. Mais ça se transformé quoi dans nos pays Comme l'AFD. Ça a transformé quoi mm. Michel, il faut qu'on se dise qu'est-ce que nous, nous voulons Comment nous, nous pouvons nous transformer en fonction de notre vision mm. du développement de l'Afrique. Mais quand les gens se mettent à considérer, tout le monde a accouru. Mm-hmm. Ils ont même ciblé, ils ont dit bon, un tel pays là, ah, au Mali là, c'est des petits. Au Burkina Faso, c'est des poutistes. La Guinée n'a pas été invitée. Non, non, non, non, ils sont pas des Mais ils n'ont pas dit. Mais ok, d'accord, les autres qui sont pas poutistes, il y a combien de pays où les gens pratiquent la bonne gouvernance démocratique Mm-hmm. Ils auraient pu faire ce tri aussi. Pour voir dans les pays, est-ce que les gens sont en train de bien gérer leur pays, les ressources dont disposent les pays mm-hmm. Non, la démocratie ne se résume pas à des élections. C'est un prolongement. Le prolongement naturel de la démocratie, c'est la bonne gouvernance. Mais, 80% des pays aujourd'hui. me Mohamed Souleymane, quelle est la plus-value Est-ce qu'on peut parler de retomber Puisqu'on entend quand même euh, les États-Unis, Washington dire. Euh, qu'à leur niveau, en tout cas, on envisage de soutenir les États africains, de les appuyer, renforcer encore euh, cette aide euh, budgétaire euh, à tous les niveaux, en fait, développement, sécurité. Est-ce qu'on peut parler véritablement de retombées Je pense qu'on l'aura compris, hmm. comme le lundi, Joe Biden a essayé de, de faire du rattrapage. Hmm. parce qu'avec la parenthèse Donald Trump, il a complètement montré son désintérêt pour l'Afrique. Euh, il a vraiment ignoré l'Afrique euh, et maintenant, euh, Joe Biden est arrivé, donc il fallait reprendre la gouvernance de donc mhm. faire ce, sommet, mais véritablement avec la conscience que la Russie, la Chine, effectivement, sont très présents mhm. en, Afrique. Comme l'a dit, effectivement, quand vous n'avez pas d'objectif et de vision, on va vous manipuler. Et regardez par exemple aujourd'hui, comme l'a dit Ousseni, l'Afrique dispose de ressources. Toutes les ressources qu'on a besoin pour se développer, nous l'avons. Mais en, termes de leadership, on, est là en tout cas à nous promettre de l'aide au développement en tout cas. Mais nous, regardez par exemple notre pays. Mm-hmm. Euh, nous l'avons relevé avec le PDS récent que lorsque le ministre du Pôle, lui me dit qu'en tout cas, nous allons beaucoup compter sur notre pétrole que pour faire plus, Mm-hmm. On a des ressources donc aussi en eau pour, pour l'agriculture, l'énergie, on a tout cela. Mm-hmm. Mais vous voyez, souvent, on, met en avant l'aide au développement, ce qui n'a jamais développé un pays. Donc, véritablement, ici, le vrai problème qui se pose, c'est que les Africains, en tout cas, nos, nos, nos leaders qui sont effectivement, euh, on fait en tout cas un aveu d'impuissance. En tout cas, il, est question au niveau de l'Afrique. En tout cas, je, suis, en tout cas le président euh, Bazoum le précisait à un, journaliste, euh, je crois, de la VOA, lorsque le demande. Euh, bon, il dit effectivement l'Afrique du Sud au niveau du, du, G20. maintenant, mhm. ce Maintenant, c'est pas les pays, c'est l'UA qui va représenter le, l'Afrique au niveau du, du G20. Mhm. Mais pourquoi pas une initiative véritablement faire en sorte que l'UA puissent véritablement engager, parce que c'est là, en fait, depuis les, les fondateurs, depuis le, les les, les, en tout cas, les, depuis, en tout cas, la, en tout cas, on a vu effectivement qu'il n'y a pas d'unité. À un moment où Fouet disait que la, Côte d'Ivoire ne sera la, voie chez les chefs des personnes. Mmh. Donc, il y a ce manque d'unité où, s'il y a effectivement une vision commune, ceux qui ont les richesses, en tout cas en énergie, vont l'utiliser en commun pour développer, en tout cas, euh, l'Afrique. On a vu effectivement ce qui est arrivé à Kadhafi, parce que véritablement, aujourd'hui, il y a des éléments intéressants qui montrent que sa vision euh, africaine, en tout cas, pour poser des vrais jalons de développement, en, tout cas, l'a coûté absolument. Donc, en, en, mm-hmm. vérité, ce qui va se passer, on est tout, simplement nous tourner en dérision, mm-hmm. Parce que tout simplement, ceux-là qui montrent qu'ils vont nous aider, mais en vérité, ils visent nos ressources. Voilà, merci beaucoup. Terminons le forum de la presse euh, de ce soir avec euh, du sport euh, débuté le 20 novembre dernier au Qatar, la 22e édition de la Coupe du monde de football tire à sa fin. Le dernier match ayant vu une participation d'une équipe africaine, c'était mercredi soir un match euh, qui avait donc euh, opposé la France euh, au Maroc et c'est la France qui a triomphé en battant l'équipe marocaine 2 buts à zéro. Mais quelle réaction ou analyse vous suscite ce long parcours des cinq équipes africaines avec à leur tête le Maroc qui a pu quand même arracher cette euh, qualification pour aller au niveau de la phase de demi-finale. Euh, euh. bien que on a appris justement que finalement le Maroc a été éliminé. Voilà. Oui, mais je, il faut d'abord féliciter hein, l'équipe mm. marocaine mm. parce que cette équipe, en tout cas, nous a fait vibrer tout au long de cette compétition mm-hmm. de Coupe du Monde après euh, le départ de la Tunisie, du Sénégal, du Cameroun. Mhm. Donc il y avait l'espoir, c'était vraiment euh, le, Maroc. Mhm. Il fallait vraiment encourager cette équipe. On mhm. se sent, on s'est senti en tout cas euh, dans cette équipe-là africaine. Pour la première fois, une équipe comme Maroc qui a tenu tête à beaucoup de, de d'équipes, en tout cas fantastiques, des mhm. équipes comme par exemple quand je vois la Croatie, mhm. euh, quand je vois euh, Belgique, mhm. quand je vois également c'est l'Espagne. ou euh, en tout cas, ça veut dire que c'est vraiment une équipe sur, sur la, c'est une équipe vraiment qui a montré ses prouesses. On s'attendait pas, mais quand même jusqu'à hier moi, je, j'avais vraiment de l'espoir en cette équipe marocaine pour ce qui est euh, de sa position. Vous avez pensé euh, qu'elle pouvait avoir cette le coupe euh, dessus du monde sur sur la France, mhm. mais malheureusement Dieu a fait son choix, comme on le dit. Mhm. C'est aussi ça, c'est le jeu. Mhm. Mais moi, en tout cas, s'il y a une équipe, une équipe aujourd'hui qu'on doit féliciter une équipe, en tout cas, même si elle n'est pas, cette équipe n'a pas eu la Coupe du Monde, mhm. quand même, à mon niveau, elle n'a pas démérité. Elle n'a pas Merci beaucoup. Il y aura d'ailleurs la petite finale dans l'après-midi. Et ce qui est encore surprenant, c'est que mhm. cette même équipe qui a tenu tête à la Croatie, mhm. euh, par un match nul, va encore croiser la dans Croatie dans l'après-midi. Pour euh, voir qui sera donc euh, en troisième euh, position. donc, Moi, on croise les, les doigts. peut-on parler que... de prouesse le Maroc de cette équipe marocaine que beaucoup ont suivi en tout cas et qui, il faut le dire, a donné une grande fierté au continent africain qui a un peu rêvé d'avoir cette coupe qu'il n'a jamais obtenue, on le sait. Oui, c'est plus qu'une prouesse, hum. Michel n'est-ce pas mhm. Ce que le Maroc a démontré, c'est plus qu'une prouesse. Mhm. Le Maroc méritait d'aller jusqu'en finale et prendre la coupe. Mhm. Parce que depuis que j'ai commencé à suivre le mondial, s'il y a une équipe qui a donné du, tort, du fil à retour dans la France, c'est bien le Maroc. À l'occasion du match d'hier, le Quand on regarde le, match, oui, le euh, match demi-finale, euh, c'est la seule équipe qui a donné du fil à retordre. Mhm. Les Français étaient pratiquement dans la défensive. Mhm. Et quand on voit un peu comment ils ont pu marquer leur but, c'était des erreurs défensives minimes. Mhm. Et jusqu'à la fin, jusqu'au coup de sifflet On peut donc dire que c'est la, chance qui a souri. C'est la chance qui a souri. Les Français ont eu chaud très chaud très chaud <laughs> et je souhaite bon vent pour cette équipe. Mhm. Et ça montre que c'est une équipe qui n'a pas joué avec complexe mhm. face à tous ces blancs. Portugal, Belgique, et, ils, n'ont pas joué avec complexe. Et c'est ça les Africains doivent faire. Mhm. Et je l'ai dit la, la dernière fois sur ce plateau, notre problème, l'Afrique subsaharienne, c'est que quand nous sommes en face de ces gens, on a un complexe qu'on développe alors qu'on joue dans le club européen avec les mêmes gens. Il faut que les gens s'inspirent de l'exemple du Maroc. Et le Maroc est allé à cette demi-finale affaibli, avec des joueurs blessés. Mais malgré cela, ce qu'ils ont démontré hier, moi j'ai dit, je leur mon chapeau. C'est une équipe qui a de l'avenir, la finale euh, donc euh, de cette 22e euh, édition de la Coupe du Monde est prévue être jouée donc le dimanche dans l'après-midi. Cette finale va mettre aux prises la France et l'Argentine. les pronostics à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a Avant le pronostic, mhm. moi j'aime bien, en tout cas les Marocains, mhm. je les félicite pour leur progrès. Mhm mais quand même en termes d'expérience, euh, en termes de, de, pronostic, on savait qu'effectivement, les Marocains avaient atteint leur limite objective. Ils ont fait vraiment euh, euh, ils ont fait l'effort, euh, <laughs> mais je ne m'attendais pas en tout cas. Les moi, Africains espéraient juste. Et j'ai comme l'impression. Mais on savait quand même que l'équipe En, de pronostic. L'équipe de euh, France est une grande équipe. Elle a obtenu la Coupe du Monde en 98 et en 2018 également. On se rappelle, depuis 58. la France avait déjà la troisième les place. Les Français n'ont même pas le soutien, je veux dire, parce que j'ai comme l'impression que c'est très impopulaire au niveau de beaucoup d'opinions. Mais Radio comme l'impression d'être de avec leur coupe euh, parce que je veux le, le jeu des, euh, en tout cas l'équipe d'Argentine mm euh, ce n'est pas évident qu'ils puissent prendre la coupe. Euh, la France risque encore de reporter avec sa coupe, même si ne sont pas populaires. <laughs> en tout cas, on se rend compte à l'évidence que leurs joueurs euh, font montre plus de, de combativité. Ça doit donc être une seconde fois d'affilée. En tout cas, il faut rappeler en 2018, la France a obtenu cette coupe. en tout cas, ce n'est pas exclu. Ce pas Et de coupe. cette coupe de 1998, <laughs> une grande coupe en tout cas. Oui, des zizi. Qui avait permis à la France, en tout cas, euh, de savoir qu'elle avait. Hier, on, a vu, on Macron, on a vu Macron qui, était, au, stade euh, euh, très hein. excité. Donc, bon, vous voyez le soutien aussi politique. Elle était venue à la demi-finale. Mhm. Donc, bon, c'est aussi cela, les, les, grandes nations. la leçon, c'est qu'effectivement, cela voudrait que les Marocains ont donné l'exemple c'est quoi le secret C'est que certainement le royaume a investi beaucoup dans le football. Mhm. Si nous, on n'arrive pas à euh, euh, relever un peu la de, de, de, l'eau, c'est parce qu'effectivement, si tout a à refaire. On n'investit pas. Le football, aujourd'hui, c'est de l'argent. Mhm. Euh, donc, bon, je pense que c'est cela. Hein. On a eu les Saoudiens, le simple mhm. fait d'avoir un bon, un bon entraîneur, ils ont fait une, sorte de, de, feu de paille. Bien sûr. <laughs> donc, c'est dire que, franchement, le. Aujourd'hui, le football euh, mérite qu'on mette les moyens. Euh, comme euh, j'ai vu quelqu'un dire qu'en tout cas, il n'a jamais vu, il ne pensait pas, n'aime pas le sport, mais il a vu qu'avec le sport, ça fait parler, ça fait vendre l'image du pays plus mhm. qu'autre chose. Mhm. Effectivement, parce que lorsque les nations viennent, sur le drapeau du pays qui, Naturellement, c'est l'hymne du pays absolument qui est chanté. Donc, euh, on sent euh, l'unité. donc, pour conséquent, si le Sénégal... Et la fierté d'appartenir à une euh, même nation. Le, Sénégal, Sénégal, le pays qui fait c'est qu'effectivement, il a plus de moins que nous, a mhm. raison de plus, effectivement, de nous interpeller, de dire que, véritablement, si on veut qu'on parle du, du, Niger aussi dans ce domaine-là, il va falloir... Merci beaucoup. Nous sommes au terme du forum de la presse euh, de ce soir. Cette finale, c'est donc euh, euh, le dimanche. En tout cas, certains joueurs se connaissent déjà. Lionel Messi, qui connaît hein. déjà le numéro 10 français, ah. puisqu'ils sont ensemble au niveau du PSG. C'est plutôt l'Argentine qui va <laughs> partir avec sa coupe. Vous dites Argentine, lui dit la France. Donc, on va attendre le dimanche dans l'après-midi pour voir cette finale, Inch'Allah. Ça va être donc dans l'après-midi du dimanche 18 décembre 2022. Euh, ça va être donc euh, à l'occasion d'ailleurs de la euh, journée de la fête nationale du Qatar. Et c'est ici que se referme le forum de la presse du studio Kalangou de ce soir. Merci à nos invités. Alagé Mohamedou Suleiman, journaliste au journal Niger Inter, Maimoune Diado, journaliste indépendante et Husseini Issa, journaliste euh, indépendant également à la modération du Forum de la presse de ce soir. Je suis Michel Deji. L'équipe euh, technique euh, est composée de Amina Hassan et Seini Isaka. Excellent week-end à toutes et à tous et au revoir.